ma 30 jours 31 jours 31 jours je me dis que c'est trop. C'est trop parce que on a mené ici des batailles pour les mêmes causes. Je me rappelle en 2004, on a mené une bataille ici pour la libération de Madia Et à l'époque, c'était les mêmes griefs portés sur Pape qui étaient portés sur Madia Il y avait eu une mobilisation intense de toutes les forces démocratiques de ce pays, la presse, la société civile, les partis d'opposition et même des partis au pouvoir. Et c'est là où je veux attirer un peu l'attention de mes conseils et de mes confrères dans la lutte pour la libération de Je salue vraiment. Jours en prison. Et si, 21, jours en prison. Et si ce n'était pas la mobilisation de, tous ces acteurs dont je viens de parler, Madjambal allait rester longtemps en prison. Et je dis qu'aujourd'hui, il ne faut pas que nous ayons peur d'associer toutes les forces démocratiques dans ce combat, que ce soit la société civile, que ce soit les partis d'opposition, que ce soit même des gens qui sont au pouvoir. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, Batili, qui était membre du gouvernement d'Abrahat, avait bel et bien participé à la marche que nous avions organisée. C'est la raison pour laquelle je dis que ça, c'est un combat quand même euh, transpartisan. Donc il faut y associer tous les gens qui veulent euh, aujourd'hui euh, pour a aller être complètement élargi donc euh, vraiment on a eu du trop parce que Pape c'est un jeune frère c'est quelqu'un que je connais et je sais que les combats qu'il mène il les mène parce qu'il aime tout simplement ce pays li metti de mooy dëkk ji da ngay pour li nga xam ne koy mais chaque fois dañ lay tegal ay un en jambe et nit ñi dañuy def en certainement dañuy jaawle parce que quand tu combats des causes justes pour des causes justes les gens pensent tout simplement parce que tu es contre le pouvoir, ou bien tu es avec une partie de l'opposition alors que tel n'est pas du tout le cas. Mhm. Les gens, ils ont bien le bien d'adhérer à des partis politiques. L'essentiel, que ça n'affecte pas le travail qu'ils sont en train de faire. Or, aujourd'hui, personne ne peut dire que le travail qu'il fait est affecté par des causes politiques. Mhm. Et là aussi, vraiment, je voudrais attirer l'attention de certains confrères. Parce que quand nous sommes dans un combat, on y est ou bien on n'y est pas. Mhm. Mais ce que je ne comprends pas, et ça, je l'ai déploré depuis le départ, et vraiment, a baal ma ci de gi parce que moi aussi je ne mange pas mes mots. L'hypocrisie de certains de nos confrères, il consiste tout simplement à vouloir faire oui mais. Il n'y a pas de oui mais. Vous savez, on est dans le oui ou bien on est dans le non. Mais on ne peut pas du tout combattre pour la cause de Pape mais en voulant dire en même temps oui c'est parce qu'il en a fait trop encore plus. Non, on partage ce combat ou bien on ne le partage pas. Ceux qui partagent ce combat-là, ils n'ont qu'à y aller vraiment à visage découvert. ce qui ne le partagent pas aussi, je crois qu'il il faut qu'il désertent nos tout simplement. Et qu'on puisse identifier tous les gens qui veulent mener ce combat en toute sincérité. je crois qu'il faut vraiment qu'on cette duplicité qui consiste tout simplement à vouloir en même temps dire que je combat pour la et mais je l'enfonce en même temps. Et ce que j'ai dit, dans les c'est pas un combat pour la libération de Babal. Pourquoi mhm. def ce bop nga koy defal. Man lima gëm moy li Angela Davis si les gens viennent le matin pour moi ils viendront le soir pour toi donc il faut que ni ñi xam loolu fii li fi Pape Alé def bañ faut ko chaque confrère chaque consoeur mën na la et en ce moment là tu auras besoin de l'ensemble des forces de ce pays là démocratique de ce pays pour que nous tirer le vraiment de cette situation donc je may wax moo combat bi il faut que nous intensifions. il est vrai que nous, qui amul en fay de ñu nous ñu koy def mais nous, dañ leen war de euh, non seulement il ne dit pas indi def ci hmm. parce que un confrère qui est en train de croupir dans les jours de Sébicota, alors hmm. qu'il n'a absolument rien fait. quand j'entends même les gens parler de procès, je dis non. Pape ne doit même pas aller en procès. Il n'a fait absolument rien qui puisse lui valoir aujourd'hui un procès. Il a fait son devoir de journaliste, hmm. il doit être élargi parce que absolument, il n'a absolument rien fait. Maintenant, vouloir accréditer, comment dirais-je, la thèse d'un procès éventuel, je je n'allais pas à ça. nañ ko parce que deful il fait son travail de journaliste. dans les pays démocratiques journalistes vous avez defoon fait tey dañ leen war l'histoire de Wade et est là. les gens qui l'ont fait on les a félicités ils sont restés dans l'histoire histoire. parti barki quand on a voulu les censurer. comment les gens sont mobilisés pour ça. je crois que ce même combat nous devons aussi le mener pour Pape aller. encore une fois combat bi pour pour Pape aller. Pourquoi ne def sa bopp parce que nous sommes dans l'angle vraiment du cyclone. pour mhm. yéexu xam ne. Mhm. bu ñu paree ci moom bu ñu ko bàyyi mu jàll. en tout cas man je suis déjà sur le liste il paraît. on a fait sur une liste. waay mais man li may def du ma ci mos a arrière. qu'on me mette en prison, qu'on me tue, qu'on me liquide, ça sera mon problème. L'essentiel, c'est que le travail que je suis en train de faire, mhm. je le ferai en toute conscience. Maintenant, je me ligue, ok. Maintenant, je mais li ma doon ne mooy li may def xam nga koy def sama aqulaayu taalaa te seetlu ma ci leneen lu dul sama mbëggeel pour pour pour et je sais que ñu gineen yëpp ils ont le même amour pour ce pays là et je crois que presse Sénégal dañu sonn d'abord les gens travaillent dans de très mauvaises conditions les régimes qui passent ici n'ont rien fait pour la presse sénégalaise donc je crois qu'il y a des combats que nous devons mener de façon vraiment intense vraiment su wax bi li nga bëgg a gudd maa koy wane fii pour wax encore une fois nañu gën a takkuwaat voilà encore si nous y allons war a war a jël pour contraindre parce que gis affaire bi gis nga buñ ci xeexul Pape Alé du génn suñu xeexul réellement c'est vrai que ñi ngi xeex mais il faut qu'on intensifie la lutte il est temps de passer à un grand supérieur buñ ko deful Pape Alé risque de rester longtemps en prison et en ce moment là ñun dinañ ci am une part de responsabilité Comme mu nekk du ñi ko jàpp ñoo koy génne de hum, hum. duñ ko génne seen